Euh, num tu tudd am nga barki dem wax na len par rapport ak ci wàllu OFNAC ci mbirum Mamour Diallo nagam sangam 94 milliards et dossier bidon yo xamanteni sans risque dans la tête d'un pyramide d'un PM pyramide do fait ça dit que dama déggaat journaliste yi di wax ci rapport cour des comptes chaque fois ñu koy wax lolou tay ba bëgg ci ñew indi ci ay leeral en ce qui concerne li nga xamanteni mom moy ministère du Mansour Faye mais en même temps le DAGE Aliou Sow ou bien l'ancien Daj DAGE bi fa Sow je dis que ce rapport est assis sur du caduc rapport bobu si lu caduc la taxaw parce que celui qui l'a fait dafa taxaw ci lu caduc c'est-à-dire le rapport concernant li nga xamanteni mom moy mbirum ceeb bi jamono c'est assis sur du caduc celui qui l'a fait à ah, mu rapport c'est du caduc par conséquent le rapport devient caduc kan moo def rapport au fait ki def rapport bi ñu ngi koy Massamba Dieng Je mën nga dugal première photo première photo donc Massamba Djeng, euh, c'est un conseiller municipal. Primo, inspecteur de trésor là, inspecteur du trésor, mais en même temps, En même temps, donc y a Cour des comptes, Chambre des affaires budgétaires et financières, rapport définitif, contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, force COVID, gestion 2020 et 2021. Li rapport bi. continuel. Rapporteur monsieur Kierno Idrissa Adja, conseiller maître membre de la mission de contrôle magistrat madame Khady Ndaw Diagne conseillère conseillère référendaire monsieur Ibrahim Gaye conseiller monsieur Massamba Djangbob, Bob, moi intéressé conseiller c'est le vérificateur c'est un conseiller municipal en guerre. quand on est conseiller municipal au fait mon premier problème c'est le critère d'objectivité et de neutralité parce que c'est un homme politique parce que Comment il a fait pour être conseiller municipal Il a battu campagne. Parce que mënoo liste ba conseiller municipal campagne une liste il est allé vers des Sénégalais pour les convaincre pour devenir conseiller municipal parce que kenn copte conseiller municipal par conséquent politique lay def c'est premier problème moyen, critère d'objectivité mais critère aussi de neutralité Je le bi tout mais ça peut ne pas rendre caduque le rapport quand même mais ce que wax nii mooy c'est Massamba est un conseiller municipal à Nguekokh donc c'est mon sama constat bi tout d'après mes investigations deuxièmement aussi c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au fait c'est-à-dire que dans ce rapport fii al yowmal akbar nit du joxoñ baramu tuuma jëmele ko ci Mansour fay mais aussi daaj bi nga xamanteni moy ancien daaj Aliou Sow nit mënu ko tiyé wala mu wax ko wala mu atta ko ci dara lo xamanteni ci wàllu détournement la wala ci wàllu erreur wala ci wàllu nangam wala nangam wala nangam wala nangam bu bu bu sanction di am ki ñu war a sanctionné mooy Massamba Diagne saa demal ci deuxième bi wala nga ñëwaat ci man donc euh li moy première image bi nga xamanteni sama constat ci la nek ma bëgg ngeen bàyyi ko xel bu baaxa baax moy ki def rapport bi au fait Massamba Dieng c'est un conseiller municipal à guerre. kon man personnellement li ma vois, c'est un conseiller municipal politique, politique parce que conseil municipal boo une liste une liste indépendant une liste parti politique politiques. pour gagner un conseil municipal il a fallu battre campagne il a fallu aller vers les Sénégalais il a fallu être dans une liste il a fallu donc il a fallu il a fallu il a fallu donc c'est ce li nga xam moom voilà benen bi moy demal ci deuxième image bi li tax mané rapport bi mom Massamba Diagne mi nga xam vérificateur le il s'est basé sur l'arrêté numéro double arrêté arrêté numéro double mom ngeen gis ma def flèche bi non donc euh, acquisition de l'arrêté numéro double ci kaw voilà précité fixé le prix de la tonne

parce que li may wax loi la cet arrêté là ça dit que moi arrêté numéro 70 nous tout ça numéro double 11 qui le onze il dit et clairement il dit mais dama il dit et clairement que ni donc voilà donc concernant les acquisitions de riz l'arrêté double 11 précité fixe le prix de la somme chez le grossiste à 245 000 francs la tonne. Les frais de manutention sont fixés à 5 francs la tonne par le ministère du Commerce, soit un prix global de 250 000 francs. Or, il a été fixé par le MIRCEST à 275 000 francs CFA la tonne, soit un manque à gagner de 24, 999 francs. Donc, nous avons dit, rapport pour ñu jàpp ay deru Mansou Faye wala jàpp parce que Mansou Faye n'est pas cité dans ce rapport mënul nekk sax sax à part que ni bon voilà mooy ministre ba mais on a on a on a pointé du doigt ki nga xam mooy daaj bi mais li mu mën a wax ci bii mooy ki def rapport bi dafa sukkandiku ci l'arrêté numéro double bi fixé tonu ceeb ci deux cent quarante cinq mille francs buñ ci tegee manutention bi nga xam ne par tonne moom la ñuy fay mooy ñiy yenoog yooyu junni la

mais foofu au fait fi ma ne dafa juum maa ngi ñëw demal ci beneen image bi mooy arrêté bi moo nekk nii arrêté bi mu sukkandiku moo nekk nii arrêté baa nekk nii arrêté numéro arrêté du 22 mai 2013 numéro double 0 71 11 bi laa leen doon wax mooy arrêté 22 mai 2013 dama bëgg ngeen déglu lu baax li ma wax ci lii la pour mën a wax ni dafa am écart 2 milliards et quelques bo xamanteni mom la daaj bi manam am écart donc war nañ ko mën a yóbbu ko ci li mu sukkandiku maintenant ci li mu sukkandiku ban at la 2013 moy arrêté portant administration des prix de l'huile en fût et en dosette du sucre cristallisé et du riz brisé non parfumé yegal touti maintenant bo xolé le ministre du commerce de l'industrie et du secteur informel si visa yi ça dire que mbir vu la constitution vu la loi 94 63 du 22 août 1994 sur les prix la concurrence et le contentieux économique Bi loi la loi 94 63 du 22 août 1994 bi wax ci mbirum bi wax ci mbiru jëflante ci njëg ñaan ñaan nit ñëw di jëflante ci njëg da li xam mooy wute la ak waroo ci wàllu ci wàllu jaay jënd loi 94 63 la du 22 août 1994 kon loi bii ci la maanaam moom article bii maanaam arrêté bii mu jël sukkandiku si pour def rapport pour nit ñi di tuumaal daaj wala ñuy tuumaal Mansour Faye arrêté bii moom da ciy limaale benn loi bu ñu woowee loi 94 tiret 63 te loi bii moom moo koy weddi nag moom loi bii mooy rendre caduque son rapport parce que loi bi dafa am lu mu wax moy loi bi dafa né arrêté bu mel nii muy arrêté wàcc yégal ba ci kaw arrêté bu mel nii muy arrêté numéro nu mu tudd sax 07 arrêté numéro nu mu tudd sax 07 euh, euh, double 0 71 11 arrêté bi dafa am lo xamanteni mom motax arrêté bi existé tout demal ci benen bi c'est-à-dire que ñëwal ci man ba paré c'est-à-dire que li ma bëgg expliquer fi moy masamba Diagne bi def rapport cour des comptes bi manam vérificateur bi vais mo dem di saytu mi def vérification cour des comptes dafa ne dafa am ben lu melni loubal lu tollu ci ñaari milliards yu toftal ci fi nga ministère Mansour fay ak DAGE ba maintenant mu dafa sukkandiku ci numéro double mais bu mu indé ba ñu indee arrêté bi arrêté bi dafa indi benn loi boo xam ne mooy loi 94 tiré 62 tiré 60 euh, la loi 94 tiré 63 du 22 août 1994 maintenant loi boobu nag mooy ñëw wane ni masamba Dieng dafa juum parce que arrêté bu mu arrêté bu mu lim mënatu la exister indi ma loi boobu moo won ko gars yi mooy photo bi stop donc loi bi dafa ñëw au fait L'Imo moy loi numéro 94 63 du 22 août 1994 loi bi la loi bi loi bi exposé des motifs le présent loi projet de loi fait partie des mesures prises en application des recommandations formulées par le chef de l'État lors des concertations avec les opérateurs économiques. Ces assises ont retenu le déphasage entre l'évolution du tissu économique et son environnement juridique qu'il faut améliorer. Le projet de loi sur la concurrence, les prix et le contentieux économique abroge la loi numéro 65-25 du 4 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique. Il institue la Commission nationale de la concurrence chargée d'arbitrer le libre jeu de la concurrence qui est un pendant du libéralisme. En marge de l'organisation de la concurrence dont le destinataire final est le consommateur, des règles de protection de celui-ci sont posées pour permettre à l'autorité administrative de faire face aux insuffisances du marché aux fraudes. Enfin, les rapports entre les agents d'exécution de cette loi et les opérateurs économiques ont été reprécisés pour permettre une application efficace <clears throat> des nouvelles mesures. Telle est l'économie du présent projet de loi. Donc, disons <clears throat> article premier le président de la promulgue la loi dont la teneur suit article 1er. la présente loi vise à définir les dispositions régissant la libre concurrence, la libre concurrence, la liberté des prix et les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et tous autres intermédiaires étant à prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la loyauté et la régularité des transactions et notamment la transparence des prix, la lutte contre les pratiques restrictives et la hausse des prix. gis nga loi bi dafa ñew di wax ci walu ñeuk manam ñeuk yi di wax ci walu jëflante yi ko wañi loi bi loolu moko taxal juk ñu dem ci benen page bi donc wax na len ni Massamba jeng dafa sukkandiku ci article fi arrêté double zero pour wax ni dafa am loubal ci ministère bi nga xam ne Mansour fayoron mais ci daaj bi lañ man daaj bi lañ jox joxagn baram muy

Article 42. Lorsque les circonstances l'exigent, pour des raisons économiques et sociales, certains biens, produits et services peuvent, faire l'objet de fixation des prix par voie législative ou réglementaire. mu l'Église, léeg-léeg bu ko jamono laajee ngir amna sabab bo xam ne si wàllum koom la wala ab sabab bo xam dem ci walu nit ñi yenn yenn yenn yenn yenn yenn yi yi ñuy yenn service yi mën nañu fixer prix bi mais mën nañ jël arrêté fixer prix bi boo xoolee arrêté bële arrêté bee nga xam Massamba Dieng moom la liir muy moom la jëfandikoo si arrêté bële si si maanaam ci rapport Cour des comptes bi arrêté bi mu utiliser muy arrêté numéro double zéro soixante onze onze dafa fixer prix te loolu 2013 la wax naa arrêté boobu 2013 la voilà donc le 22 mai 2013 moi, arrêté double article 43 lu Non, Non nonobstant les dispositions de l'article 42 de la présente loi des mesures temporaires contre les hausses excessives des prix motivées par une situation de calamité ou de crise par des circonstances exceptionnelles ou par une situation du marché manifestement anormale dans un secteur déterminé peuvent être prises par arrêté du ministère du ministre du commerce déglu non nonobstant les dispositions de l'article 42 de la présente loi des mesures temporaires contre les hausses excessives des prix motivées par une situation de calamité ou de crise par des circonstances exceptionnelles ou par une situation du marché manifestement anormale dans un secteur déterminé peuvent être prises par arrêté du ministre du commerce une deuxième photo nous arrêté bi ñu xol deuxième photo bi à la bi très bien Bonjour xolé le ministère du commerce là, à la arrêté Le ministère du commerce mo à arrêté bi numéro 00711. la kan kan Massamba maintenant ñëwaatal ci loi bi mo mujjé indi bi ma doon donc japp ngeen ni li ministère du commerce moko bind pour fixer prix Deuxième, deuxième bi benen bi stop donc war na len arrêté bi ministère du commerce moko bind mo fixer prix yi déglu leen fii wax mu nonobstant les dispositions de l'article 42 de la présente loi des mesures temporaires contre les hausses excessives des prix motivées par une situation de calamité ou de crise par des circonstances exceptionnelles ou par une situation du marché manifestement anormale dans un secteur déterminé peuvent être prises par l'aide du ministère du commerce vous moi, arrêté de Mon dire, mon et dont la durée d'application ne peut excéder deux mois renouvelables une fois arrêté vous. daté 2013 le 25 mai 2013 mai juin juillet août septembre point Guérne, caducna. Mon tout exister maanaam ça dans la durée d'application ne peut excéder deux mois renouvelable une fois deux fois deux mois quatre mois caduc Moi, qui pour élaborer rapport c'est du caduc par conséquent le rapport est caduc Quand loolu très bien kon tu li du maintenant qui a pris 2013 Beaucoup appliqué 2020 Ou 2019 2020 2013 lañu fixé won prix yi mu indi 2013 la dem jëli ji dem wuti ji arrêté bi fekk arrêté bobu deux fois deux mois wara war def pour caduc mu ñeu bëgg appliquer prix 2013 bëgg ko appliquer en 2020 ci prix yi mu appliqué 2013 nak ci la waxee liñ def 2020 normalul kon ku ñu war a sanctionné kam moo kan maanaam kan moo gëstuwul kan mo deful liggéey yëpp donc lolu ben la ñaaral bi moy ça dire que.

Ministère Aliou Sow, ancien directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère du développement communautaire de l'équité et de l'équité sociale et territoriale. Qui tout mal Mo bind kan bind Mamadou monsieur Mamadou premier président de la cour des comptes Dakar moom bind rapport définitif contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid 19 force Covid gestion 2020 et 2021 Monaco, j'ai reçu copie du rapport spécial de la Cour des comptes consacré à la revue des dépenses des forces Covid-19 et vous en remercie vivement Monaco, jotna bata un bi nga jëm ci rapport spécial Cour des comptes bi nga xamni dafa jëm qui font Covid 19 maa ngi ci sant je dois relever monsieur le président que la lecture du rapport m'a véritablement indigné et que c'est avec stupéfaction que j'ai découvert la demande d'ouverture d'une information judiciaire à mon endroit sur le motif supposé d'une surfacturation dans l'achat du riz pour un montant global de CFA 2 749 987 498 francs CFA. L'audio du rapport explique la prétendue surfacturation par le fait que le ministère du Développement communautaire de l'équité sociale et territoriale aurait fixé et acheté le riz au prix de 275 000 francs en lieu et place de 250 000 francs la tonne, fixé par arrêté numéro 000-711-11 du 22 mai 2013 du ministère chargé du commerce et portant administration des prix de l'huile en fût et en dojette de sucre cristallisé et du riz brisé non parfumé. Demande stop. Donc, Observation numéro Dans sa version provisoire, le rapport de la Cour m'interpellait déjà à l'observation numéro 62 en ces thèmes ci-dessus répertorié concernant à la fois du li nga fii au fait nous veux expliquer fii moi que quand bi a ko rapport bi il a écrit adresse à ci ki nga Cour des comptes pour wax ko ne moom d'accordul ci li ñu wax sukkandikoo nag teg ko ci ay firnde yu leer comme midi tudd na raab tudd na arrêté beneen waxoon muy arrêté numéro double zéro soixante onze onze bi nga xam ne moo ñëw doon fixé prix mais ci biir ministère bi xam nga ni dafa am en deux mille dix neuf deux mille vingt ba ñuy joxe euh, ba ñuy joxe deux mille vingt ba ñuy joxe en deux mille vingt ba ñuy joxe nu mu tudd sax euh, mbirum euh, mbirum ceeb bi.

qu'ils n'ont pas été correctement exploités. Donc, ma réponse rappelez d'abord que les achats liés à la pandémie COVID-19 étaient exclus du champ du décret numéro 2014 12-12, du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics. ce qui li ma que cour des comptes te Covid 19 li décret numéro 2014 12 12 le 22 septembre 2014 bi nga xamni mom mo jëm code des marchés publics code des marchés publics Monaco, en effet à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde le Sénégal était avait également opté avait également opté pour un régime dérogataire dérogatoire du par décret présidentiel pour l'exécution des fonds Covid-19 comme réunion ci Sénégal bi fait Sénégal dafa régime dérogatoire mooy lan mooy lañ leen gàlloon seen kaw pour ngeen di wut di lancer ay marché kii indi kii indi kii indi kii indi wala nangam sangam nangam sangam nangam sangam teggi nañ ko seen kaw procédure bi mu gën a gaawee defee nañ ko noonu loolu décret la mu ne waaye ak lu ak lu ak lu waa ak lu yoon waxoon ni teggi nañ ko suñ kaw sama ministre muy Mansour fay dafa ne avait tenu par souci de transparence et de bonne gouvernance

par souci de transparence et de bonne gouvernance de saisir l'autorité de régulation des marchés publics ARMP Faye même bañ ko saisir l'ARMP. ARMP de saisir d'une demande d'avis Là ko avis sur la manière d'exécuter le décret numéro 2020 qui est le 781 18 mars 2020 parce que le décret est venu. na suis commandes Mansour dafa ne même bu nekkee teggil nañ ma sa code des marchés danaa laaj avis ARMP ci nan laa war a appliquer décret boobu ngir transparence ak bonne gouvernance dans sa réponse numéro triple dans sa réponse numéro triple zéro sur ARMP sur DG sur SP du 2 avril 2020 l'ARMP a suggéré ceci ba ko Mansour defee ARMP da ko bind ci bataaxal boo xam numéro bi triple bu 2 avril 2020 ngir wax Mansour Faye lii ne ko les bonnes pratiques en matière d'achat public régulièrement prônées par le chef de l'État peuvent être observées pour rester dans la dynamique de transparence nee na ko li li kilifa réew mi wax maanaam li kilifa réew mi doon doxal avant muy dindi lii ci lan muy li nga xamante ni moom les bonnes pratiques jëf yu baax yi ngir gouverner ci ci mbaax bu ko bàyyi même bu fekkee teggil nañ la mais bu ko bàyyi def ko ARMP ko wax ne ko peuvent être observés pour rester dans la dynamique de transparence d'égal accès des entreprises les entreprises à la commande publique et d'économie réalisable à travers des prix compétitifs pour ce faire vous veillerez à garantir la disponibilité de toutes les informations de la procédure pour à toute fin utile un éventuel contrôle ex poste, vous pourrez, à cet égard, mettre en œuvre les dispositions suivantes. Publier un avis sur les produits à acheter. Sur les produits à acheter, sur les produits à acheter, sur les produits à dans un journal de grande diffusion. néanmoins ce pas da publier Si journal n'ai pas pu lire délai maximal de dépôt des offres des offres d'urgence 3 à 7 jours utiliser les services de la commission et de la cellule des marchés pour l'ouverture des plis, l'évaluation des offres et l'attribution des marchés. La commission dressera un procès verbal d'ouverture et d'attribution des offres. Concevoir un bordereau de réception des produits et organiser méticuleusement les stocks à Dakar et dans les régions. Confectionner un bordereau de distribution des produits aux bénéficiaires et tenir la liste avec les quantités remises comme des charges. dans ma belle page. Donc, confectionner un rapport de distribution à la fin de l'opération comprenant toutes les pièces, notamment l'avis d'achat public les quantités achetées et les prix irrelatifs, les PV d'ouverture et de distribution, les, noms et contacts des fournisseurs, les lieux et adresses de stockage, la liste des bénéficiaires ainsi que leurs adresses et quantités reçues, etc. Ces indications étaient globalement respectées. L'ARMP globalement respecté et tout le processus décrit en détail et les preuves apportées dans ma réponse au rapport provisoire transmis à la Cour. Dage, Nena, wa, wa Cour des comptes, ligne ARMP lepp lañ jëfee processus bi respecté en détail preuve yooyu teg table dans ma réponse au rapport provisoire transmise à la cour la réponse établie que le ministère du en charge développement communautaire avait lancé un appel ouvert sur la base d'un dossier public dans différents journaux de la place par souci de transparence et de respect du principe d'égal accès à la commande publique nee na tontu ba dafa ne ministère boobu muy dafa lancé won appel bu mu ci dossier bo xamné dañ ko yob ci journaux yépp ngir lan ngir léral par souci de transparence et de respect du principe d'égal d'accès à la commande publique pour ñëpp mën li ñëpp bok ñëpp mën jot kenn ku ne li nga mën nga def ko dans la réponse monsieur le président j'ai rappelé qu'aucun prix d'acquisition des denrées n'a été fixé par le ministère en charge du développement communautaire qui n'a causé aucun manque à gagner à l'État contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport provisoire de la cour ci tontu ba Nena? na yow laay waxal yow premier président cour des comptes Fatali won na len ni amul benn jëg amul benn prix bu ñu jëndee jëru mbirum denrée par boo xam ni ministère moo ko fixé amul amul benn perte bu ñu teg ci njoddu état amul contrairement ak li ngay bind contrairement ak li Massamba Dieng bind ci biir rapport donc nous continuons. donc contrairement à ce que à ce que à ce qui est affirmé dans le rapport provisoire de la Cour des comptes en effet nonobstant le fait connu que dans le cadre d'un appel à concurrence les prix sont déterminés par le jeu de la concurrence le ministère avait pris le soin de solliciter les services du ministère du commerce pour disposer du tableau des prix en vigueur durant la période Néna, li xam que dans le cadre d'un appel à concurrence bu appel à concurrence les prix prix sont déterminés par le jeu de la concurrence amul lu fixé jeu de la concurrence là. maanaam kii day indi qui dit, indi kii di kii di moins 10 ans wala Madame, ci yooyu lay donc le ministère avait pris le soin ministère bi defu ci waxu ci ministère, woo ministre du ministère du commerce Ça pas bàyyi vous, les soins du ministère du commerce pour nous donner pour tableau bi nga prix en vigueur jamono jooju 2020 prix au le service du ministère des commerces jox ministère ba luñ créé demande ils ont demandé le tableau des prix en vigueur durant la période j'établissais dans ma réponse à la question de la cour en attirant votre attention que les auditeurs avaient utilisé l'arrêté de 2013 nee na a naa sama tontu jëmale ko ci yéen ngir attirer attention ne ki rapport bi dafa djoum parce que arrêté bi utilisé 2013 la ñom ñi ngi won ci 2020 ak tableau ministère du commerce L'année de 2013 du ministère du commerce devenu caduc au moment des faits pour apprécier les acquisitions 2020 Massamba Diagne bi def rapport cour des comptes bi ba muy ñëw di saytu mi ngi indi mi ngi indi arrêté 2013 ñom wa ministère du commerce du commerce ak nous ba ñuy ngi service ministériel du commerce dox prix 2020 Nous nga ñew prix 2020 dem jox leen atas prix 2013 lolu moy lan or prix 2013 c'est deux fois deux mois c'est-à-dire deux fois deux mais quatre mois fa cette démarche peu orthodoxe était surprenante pour les auditeurs d'une institution supérieure de contrôle Nous avons cours des comptes indi lu mel toll inspecteur du trésor nous, indi le pour nga saytu ngay saytu dem jëli ji dem arrêté 2013 bàyyi arrêté 2020 lutax lo ci c'est peu orthodoxe y yéemu encore pour ay auditeurs yu toll ni auditeur cour des comptes d'une d'une institution supérieure de contrôle vous conviendrez avec moi monsieur le président vous conviendrez avec moi monsieur le président que cet arrêté devenu caduc de par les dispositions de la loi 94-63 du 22 août 1994 portant sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Bilan le leader 5. Je dis que vous avez dit que vous avez cours des comptes. Arrêtez, bi Massamba Arrêtez, jël arrêté amatul c'est caduc ngir lan ngir loi 94-63 du 22 août 1994 bi wax ci mbirum prix qu'il vise arrêté boobu Massamba Dieng visé n'était pas applicable kenn mënu ko jëfandikoo et ne pouvait en aucune façon amul ci nenn servir de base d'appréciation des prix du marché de riz njëgu ceeb 2013 mënoo nous ko appliquer ceeb 2020 yow Massamba Dieng dafa dem jëli njëgu ceeb 2013 ñu ne day àtte ñoo xam 2020 l'année jënd ceeb nga leen liñ liñ doon jaayee ceeb 2013 nga war a 2020 yow kooku jigéen boo dugg sax këram fekk muy dem marché mën a la kii d'ailleurs les articles ci-dessous de la loi disposent, article 2, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Article 2 Les prix biens produits services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence Wow. Article 42 3 lorsque les circonstances l'exigent pour des raisons économiques et sociales certains biens produits et services peuvent faire l'objet de fixation de prix par voie législative ou réglementaire. Article 42 dama article 43 mu article 43 donc nonobstant les dispositions de l'article 42 de la présente de la présente loi de la présente loi donc nonobstant les dispositions de l'article 42 de la présente loi des mesures temporaires contre les hausses excessives des prix motivées par une situation de calamité ou de crise par des circonstances exceptionnelles ou par une situation du marché manifestement anormale dans un secteur déterminé peuvent être prises par arrêté du ministre du Commerce et dont la durée d'application, dont la durée d'application ne peut excéder deux mois renouvelables une fois, deux fois, deux, quatre. Deux mois, ben on peut Madame, deux mois, il y maintenant deux mois, mais quatre mois. Terminé. Loi 2013, Je rappelle que l'arrêté de 2013 était pris dans le cadre des circonstances décrites par cet article 43 et qu'à mon humble avis, les auditeurs de la Cour des comptes ne devaient nullement ignorer les dispositions de cette loi visée par la 2013. Il y a un lay fàttali yow mi Cour des comptes suis arrêté à la cour des comptes 2013 dañ ko jëloon ci cadre boo xamante circonstances qui ont été dafa comme l'article 43 bi et sama m'a bu gàtt ñi nga pour ñeu saytu réunion pour ñeu xol amuñu woon ben droit ne devait amuñu woon ben droit baña xam li nga xamante mom moy disposition loi bi nga xamante mom la loi moom lañ visé moy loi bi ñu visé ci l'article 2013 le décret numéro 95 77 du 20 janvier de 1995 également visé par le dit arrêté stipule en son article premier que Conformément aux dispositions de la loi numéro 84-63 du 22 août 1994, les prix sont librement fixés par le jeu de la concurrence. Nous, avons ngeen yónni ñu audité visé nañ décret 95 77 le 20 janvier 1995 parce que nous ñu il dafa viser la loi 94 63 63 loi est toujours moo lay wax ni deux fois deux fois deux mois renouvelable une seule fois les prix sont fixés par le jeu de la concurrence. Jeu de concurrence, c'est fixé prix. Toute personne ayant suivi l'évolution de l'histoire économique du Sénégal, c'est que depuis 1994, suite à la dévaluation du franc CFA, la règle en matière de commerce est la libre concurrence. D'âge, mingi jangal sakhwadi. Toute personne. Dañ ci bolé virgule d'âge, dañ ci bolé virgule digne de foi. Toute personne honnête, Donc, ci waron bolé toute personne de bonne foi, ayant suivre l'évolution de l'histoire économique du Sénégal, xamna que ko koo que nit nga di wax dëgg rek ta yalla tax xam nga ne depuis 1994 muy dévaluation CFA bi règle bi en matière de commerce libre concurrence la l'administration des prix est une exception nguur bu jëlee prix ne arrêté naa ko fi exception la fan bu ñëw ci contexte particulier et est censé être limité dans le temps ainsi, sept années après la signature de l'arrêté suspensionné, sept ans après, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, Massamba Mom, 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 sept ans après la signature de l'arrêté susmentionné qui maanaam Madame 2013 de la Massamba jël ne dëggu ceeb 2013 mom la ñom ñoom daaju ministère Mansour fay wala ñoo appliqué 2020 lolou fu mo am la cour considère que le prix du riz en 2013 doit être le même que celui de l'année 2020 elle se borne ainsi à méconnaître le tableau indicatif des prix des denrées publié en 2020 par le ministère chargé du commerce kon bu boba kan la sanctionner a sanctionné ku du auditeur inspecteur du trésor xam prix 2020, xam prix 2013 dem tànn deux pour bëgg ñëw ñëw dugal ay gor ñëpp di leen xass réew mi yëpp amé leen di leen xass et pourtant dans le rapport final de la Cour des comptes l'observation concernant le le sucre cristallisé a disparu alors que la de 2013 concerne à la fois le riz brisé non parfumé et le sucre cristallisé cristallisé xam nga yi wax ni rapport provisoire bi la nee na li rapport final bi ni. cristallisé mais bàyyi ko ba léegi ce qui du reste me fonde dans l'intime conviction que le maintien de l'observation sur lui relève manifestement d'une erreur des auditeurs. En effet, ils ne peuvent introduire la notion de surfacturation dès lors qu'un appel à concurrence a été organisé. Et mieux, les offres retenues sont conformes au tableau des prix du ministère du Commerce ce qui ci loola du reste ma fond dana suis dana ma gën a dëgëral ci mu biir ma ni daf ma ñu ci bi 2013 ko acté ay nit njumte bu rëy la ca dëgg-dëgg nag mbirum surfacturation mun nu ko pourquoi parce que appel à concurrence la def organiser et mieux offre retenue yi ñu ñu offre yi nga xam dañ leen téye jox leen marché dañoo conforme ak tableau yi nga xam ni prix ministère du commerce la mu ko nag monsieur le président je souhaiterais vraiment vivement qu'il vous plaise de vérifier toutes les informations portées à votre attention et si nécessaire ordonner un audit contradictoire sur la question de l'acquisition du dem na ba ne ko na nga def audit contradictoire yooyu nit ñeneen ñëw gëstu je me mets à votre disposition. donc moi, je rapport rapport rapport il va falloir faire très attention parce que je dis me digérer que nous xam nga man j'ai vu j'ai lu ko ni dañ épingler 2 milliards dit épingler entre guillemets j'ai vu million 1 million marche ba ñoom Tunkara dugal dugal bindu Mimi Touré ah s'il s'agit de Mimi Touré épinglé moom ne veut pas dire ne veut pas dire que maanaam condamné ne veut pas dire fautif mais pour les autres parce que Mimi Touré ñoom la àndal mais pour les autres kuñ kuñ dégg épinglé rek mooy yow def nga or cas yu mel nii day am cas yu mel nii dafay am kon dafa yell ni ñu def ci bu baax def ci bu baax a baax a baax a baax donc. lii mooy li nga xam ne bëggoon naa ko indi tey ci ci ci saxal ay xibaar yu wér parce que nag nit ñi ñuy bëgg ray ak du ñu bëgg sonal ci ay waxu rapport rapport rapport rapport rapport rapport et la plupart n'ont pas lu les rapports la plupart n'ont pas lu les rapports xam lu ñu ci am ma dama xool man ay Ngoné Saliou to ci télé ñu leen jox leen ay micro ñuy wax ci ay rapport or c'est-à-dire pour fait nit un rapport parce que booy lire rapport au fait booy lire rapport buñ commencé ne le vu vu vu vu vu Vous faites yow information visa bu ko avez a jël traité ko dem ji loi bi boko nga télécharger ko lire loi bi lu ci wax ci nga am une lecture objective man kuñ fi do rapport mu lire ko xamna li lii aw ci wax doo ma dégg ma wax ci parce que je suis pas là pour être l'avocat du diable jamais manam kuñu ñu rapport déggoo man ma wax ci déggoo man ma leeral ci parce que la ca ne mais pour ce cas précis togn nañ daage bi togn nañ ministère bi yak nañ deru gor ci ay njuumte parce que li c'est caduc c'est assis sur du caduc et la lancinante question moi est-ce que tay war nañ nangu ay inspecteur du trésor ay inspecteur nangam sangam di nek ay conseillers municipaux dafay xaw a lëkkaloo trop intérêt day am ci biir parce que nak conseil municipal ou politique politique la rek voilà donc li moy li nga xamni ni bëggoon naa ko leeral tey.